douane nag dañ ko wax aussi mu jéem euh, yombalal ñi ñëw wante yombalal ñi ñëw nag taxul nag ñu bàyyi lépp mu jàll waaw yombalal taxul taxul nga bàyyi contrôle waaw moom dañ ko yombalal mais nag du tax aussi ñu bàyyi contrôle ndax euh, bu xew-xew yu mel nii amee ñuy gàmmoog ñoo ndax jëm ñooy ànd yooyu yaakaar naa loolu aussi ñu jëm koo kii région médicale dañ ko wax pour post avancé yokk garab yi dañ ko ko wax service d'hygiène aussi moom wax nañ ko léegi élevage wax nañ ko léegi commerce aussi moom dañ koy ñaan ne ko nag mu gën a yokk euh, contrôle ndax aussi jamono ji bu toll nii amoon na prix yi mënuñ ko yokk wante nag amoon na fi benn màggal bu fi amoon mu ñu koy fàttaliku daaw bu amul xaw na ñaaw trop loolu yaakaar naa aussi ñu jëm ci taxaw ba su jotee kenn du téye lu xam ne produit yi xam ne moom la nit ñi gën a soxla ñu téye ko ba mën a prix bi gën a ba ba prix bi mën a yokk yaakaar loolu commerce dañ ci liggéey nag lii baaxut produit yu xam ne dafa périmé ñu gën ci taxaw ci contrôle bi ndax waxtu wi la nit ñi mën a am temps pour mën ko pour mën ko jaay DMTA nag dañ saisir ministre de l'intérieur dañ ko bind laaj ministre de l'intérieur wax na ko daaw léegi léegi lii nga indiwoon ci màggu daaru karam bi ñoom ren it léegi lii leen soxlaat loolu bu ñu paree rek bu ñu joxee léegi léegi yaa xam ne fii ngoon dañ ko mën a bind euh, CSA aussi moom it dana saisir ministre du communautaire moom ma yor affaire eaux et forêt moom it aussi dan yéenay bind lettre joxo pour won ko na ko li lii ngeen soxla ci matt ou bien lii ngeen soxla ci kër yi wax na sax ngeen jox ko chef de secteur bi ne yokk leen jox leen ko préfet pour mën a yëg ne lettre bi départ na parce que lettre bi day départ Mbàkke ñëw fii fii lay départ di doog ko yónnee doog ko yónnee Dakar ñu nag bu ñëwee ba fii ñun kii bu koy yónnee moom dana ci jox benn copie ñu xam ne kat lettre bi yegg si fii moom moom ngeen koy jox waaw ba yaakaar naa daal loolu ma amoon sëñ bi di leen gërëm di ñaanal vraiment xalif bi mu gën fa yàgg lool di ñaanal xalif général day murit aussi xalif général Baye Fall ñaanal xalif général yi ci Sénégal yëpp yàlla defal ñu jàmm yaakaar naa daal lu ma ci am solo waaw ñaanal suñu région bi waaw ñaanal vraiment dañuy sàkk ñaanal ngeen ñaanal suñu région bi bu bokk ci région yi gën a développé ci Sénégal yaakaar naa loolu la bëgg ndax bu développé rek ñëpp waaw euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam euh, di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Khadimu Rasoul mu yàgg fi lool te wër ak euh, sëriñ Mamor Anta moom mi nga xam ni moo fi toog toogaayu ma Massamba di nuyu bu baax kilifa jataay gi di sëriñ Cheikh moom mi nga xam ni moom mooy jëw jëwriñu njabootu kër ma sàmba Euh, euh, Wahab commission euh, communication monsieur le gouverneur monsieur le préfet monsieur le sous-préfet messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, messieurs les représentants des services décentralisés de l'État, messieurs les journalistes, euh, chers membres du comité d'organisation du Grand Magal de Daro Karim, je voudrais juste, euh, de manière synthétique et brève, sur cinq minutes, parler de cette grande figure emblématique qui était le frère cadet de Charmadou Bamba et qui était, donc on disait, le prolongement et le symbole, euh, notamment Srin Massamba Serigne est né à Patar en 1883 après le rappel de son vénéré père Mamor Anta Il était baptisé par son grand frère et guide spirituel de Bamba Khadim Rasoul, le serviteur par excellence du prophète Muhammad <coughs> sallallahu alayhi Je veux dire que Seigne Samba était baptisé sur recommandation euh, de son défunt père. Il portait le nom de Serigne Samba Antetiebo. Benjamin des fils de son père, dont l'aîné était Mamor euh, Diara euh, Sam, suivi de Chamadou Bamba, Serigne Samba appartenait aussi du côté maternel à la famille la plus célèbre de Koki. Sa mère, Sohna Issa Aïssatou Diop, fille de Serigne mour Khoudio Diop, Serigne Massamba Ante Thiebo, Serigne Medoun et Serigne Martar Noumbe, était auparavant l'épouse du Damel Ladjor avec, euh, avec qui elle a eu un enfant qui porte le nom de Serigne Mor Issa Diop. Dans la chronique populaire du mouridisme, Serigne Samba est présenté simplement comme le frère de Charmadou Bamba et le vocalisateur de ses écrits. Cette image sommaire de cette figure emblématique de l'islam est à la limite caricaturale parce que ne reflétant pas ces deux aspects les plus saillants de son personnage. Mais en revisitant toute sa personnalité, on découvre la haute stature de ce grand précurseur qui se confond avec le profil de Cheikh Bamba Khadim Rassoul, fondateur du mouridisme. Euh, Sri Massamba était d'une générosité rare et exceptionnelle. Euh, un jour, Cheikh Bamba Khadim Rassoul l'appela pour leur montrer Serigne Touba, appel, euh, Touba avait appelé tous les disciples pour leur demander, pour leur montrer des tasses qu'il avait reçues euh, en don. Et constatant que quelques-unes avaient disparu, il demanda aux disciples de sillonner partout le commerce pour lui en trouver. Les recherches furent vaines, mais Serigne Massamba ne décourageait jamais, ne se décourageait jamais plus tôt. Chaque jour, il faisait le tour de l'ensemble des commerçants de la ville avec une confiance aveugle que vouloir ses pouvoir. Un jour, un commerçant marocain de la place, en fouillant son magasin, trouva une caisse de mille tasses non encore ouverte. Ne possédant pas d'argent avec lui, il prit la caisse et laissa son disciple euh, comme gage, c'est le commerçant. N'est-ce pas là un bel exemple de dévouement pour son guide spirituel après le rappel à Dieu de Cheikh Amadou Bamba, Serigne Massamba avait ce même amour, ce même dévouement envers son calife Serigne Mourou Mustafa. Il disait le plus souvent à Cheikh Mohamedou Mustafa Mbake, premier calife de Khadim Rasoul, je le cite Je ne suis pas ton oncle, je suis ton talibé, car tu es le fils de mon guide spirituel. Fin de citation. Serigne Massamba avait le même comportement avec l'ensemble des fils de Khadim Il y avait une complicité entre eux, exceptionnelle. La noblesse de caractère de Srin Massamba n'est pas surprenante. Comment un homme éduqué par Srin Touba pourrait être autrement Serigne Massamba était le prototype de l'asset qui vit parmi ses pères et qui sert de miroir à chacun d'eux. Serigne Massamba euh, était plutôt, il vivait plutôt dans la société euh, de, manière très simple. Euh, les qualités intellectuelles de Khad de Bamba, ses qualités intellectuelles et morales et son sens de relations humaines faisaient que le cher Ahmadou Bamba l'envoyait souvent pour faire le tour des disciples dans l'ensemble du territoire national pour non seulement consolider les liens mais aussi et surtout pour raffermir leur foi. Ils sillonnaient alors le pays en éducateur humble Les disciples le recevaient et ils les entretenaient de Dieu et de son prophète et leur rappelait les vertus de l'islam qui sont les seuls aptes à faire de de véritables mourides. Éducateurs hors pair, pieux d'une générosité pieux et d'une générosité légendaire, Serigne Massamba donnait tout ce qu'il avait et s'endettait pour satisfaire les autres. Quand il payait ses dettes, il le faisait aussi sans compter. Il ne pouvait supporter le désarroi d'un musulman sans tenter de lui apporter des solutions. Serigne Massamba ne gardait jamais quelque chose pour le lendemain. C'est comme si les biens de ce monde lui brûlaient les mains. Il s'empressait de satisfaire les nécessités et soulager les Mourites dans leur vécu quotidien. Pendant le mois de Rajab 1361 de l'Égir, euh, qui coïncide euh, à la date de 1942, il vient dire à Srin Mohamed Mustafa, je le cite, Il me reste trois années à vivre sur terre, je viens aujourd'hui te les concéder pour que tu puisses ajouter à votre longévité afin de parchever la mission qui vous a été assignée par euh, notre guide spirituel et père, Shamadou Bamba. Fin de citation. Quelques jours après cet entretien avec le calife, euh, précisément le, 18e jour du mois, de, du mois Rajab 1361, qui coïncide euh, en 1942, Cheikh Massamba Mbake quitta ce bas Massamba les générations présentes et futures s'inspireront toujours de ta vie combien pleine d'agréments. Ton amour ardent pour le cher, ton dévouement sans borne et ta serviabilité à jamais sont gravés et resteront toujours gravés dans la mémoire et dans les cœurs des fidèles. Je vous remercie de votre attention.